le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse de Studio Kalangou, une émission qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Cette semaine, l'actualité a été dominée par la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Tilaberi, occasionnant d'importants déplacements des populations. Nous parlerons ensuite de la grève d'un mois lancée lundi dernier par le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX, ainsi que celle des magistrats du Niger. Enfin, nous parlerons du sport avec le tirage des qualifications Afrique de la Coupe du Monde 2020. Avec nous dans ce studio pour analyser ces faits, Memouna Diado de la radio et télévision Tambara. Bonsoir Memouna. Bonsoir. Hassan Aboukar de la radio Alternative. Bonsoir à vous. Bonsoir. El Haj Mohamedou Suleiman, il est le directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, freelance. Bonsoir. Bonsoir. Nafis Adam Sirfo à la présentation. Merci une fois de plus, euh, chers invités, de nous avoir euh, honorés de votre euh, présence. Au cours de ce mois de janvier, d'importants mouvements de population ont été enregistrés dans les régions de Tilaberi, notamment dans les départements de Wallam et Banibangou. Toutes ces personnes ont fui les violences à cause de l'insécurité afin de chercher protection et sécurité. À la date du 21 janvier, le nombre total des déplacés internes était estimé à 6480 personnes selon la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR Niger, Alexandra Morelli, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. En total, 6480 euh, personnes sont en mouvement et ont trouvé déjà euh, une forme de protection. Donc voilà, 466 personnes euh, sont identifiées, Abala 180 personnes, Intikan 1033 personnes et on attend d'autres chiffres dans la zone de Shinbarakawam et Dobel On est un peu plus préoccupé pour euh, les déplacés internes qui sont dans la zone de Banibangu. Presque 2300 personnes euh, sont identifiées qui a un problème d'accès lié à la sécurité. Donc nous sommes en train de voir comment euh, s'assurer qu'il y a une réponse d'urgence aussi pour ce groupe-là le système des Nations Unies a commencé à lancer le mécanisme de réponse rapide qui a comme objectif l'identification des besoins et la réponse a commencé. C'était là la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR Niger, Alexandra Morelli. Et retenez que ces chiffres avancés évoluent euh, du jour au lendemain. Je commence d'abord par vous, Memouna, de la radio et télévision Tambara. Après écoute de cette euh, intervention, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle, surtout avec ces déplacements euh, Ok, donc euh, merci Nafisa. la lecture que je peux faire par rapport justement à ce que vient de dire la représentante de HCR ici au Niger, mhm. c'est qu'il fallait s'attendre en fait à, ce mouvement. Mhm. il fallait s'attendre à ce mouvement parce que tout simplement, après les deux attaques euh, intervenu à l'espace d'un mois dans en fait euh, la région de Tilabiri, l'autre à Inates, l'autre à Chinagoder. La population de Chinagoder a, également, euh, selon nos informations aussi, reçu des menaces. Et suite à ces menaces, il fallait bien que ces populations aussi euh, cherchent refuge ailleurs où il y a, mhm. par exemple, la sécurité, parce qu'elles se sentent plus en danger euh, du fait qu'ils ont également par des, sources aussi qui ont rapporté que les militaires aussi dans cette zone ont à peu près abandonné euh, mhm. la leur zone, base, leur base pour se retrouver donc vers Walam. Mhm. Donc il fallait vraiment que ces populations se déplacent donc c'était prévisible. C'était prévisible, c'était prévisible. Tout, là où il y a attaque, là où il y a ce genre donc de, de situation d'insécurité, il fallait, il faut toujours s'attendre à euh, ce mouvement donc de personnes, des va-et-vient. Euh, la population ne fait que euh, se déplacer du jour au lendemain pour chercher un bon refuge, chercher là où il y a le confort et la sécurité en fait. On ne parle même pas de confort, mais on parle de mhm. sécurité, dans ce cas. Voilà, donc c'était c'était juste ça. Et les chiffres donc qu'elle a qu'elle a donné aussi, ça varie, hein, ça mhm, varie parce mhm. que c'est des chiffres elle-même. Elle dit que et ce sont des chiffres qui évoluent du jour au lendemain. Et vous avez vu euh, il y a une part où c'est euh, d'un côté où c'est mille et quelques déplacés. Mhm. Et les déplacés ne se retrouvent pas uniquement vers Walam, mais il y a des déplacés aussi qui laissent euh, cette région, cette zone pour s'y rendre vers le Mali. Voilà ce mhm. que moi je peux retenir de ça. D'accord. Une situation prévisible, El Hajj Suleiman, et toutes ces personnes, on le sait, elles ont fui l'insécurité et la violence. Selon vous, quelles conséquences cela pourrait engendrer ce déplacement massif de population justement une situation prévisible parce que euh, les dernières attaques euh, auxquelles auxquelles Maimouna fait allusion, à savoir Inates et Sinagoudrar, en tout cas le, le, bilan lourd, parce que vous savez, même ceux qui ne sont pas voisins de ces théâtre là Lorsqu'on voit le nombre de militaires qui sont tombés, la panique, vous imaginez, je disais avant que les terroristes euh, ciblent des, postes où il y a 2, 4, 5, 10 soldats ou, policiers, mais maintenant ils ciblent des camps euh, des camps, postes avancés, c'est au moins 200 militaires. Mhm. Euh, on a vu donc, lorsque vous voyez, en tout cas, ce bilan, la panique, elle est générale. C'est à tous les niveaux. Euh, donc c'est tout à fait normal que euh, les gens effectivement euh, se déplacent, fuient la terreur. Et les conséquences, justement, ça va davantage aggraver les conditions de vie des populations dans ces milieux, souvent déjà même en temps de, de, de, paix. Il y a des difficultés, et on le sait chaque année, on mhm. enregistre aussi des déficits. voyez, donc ça vient aggraver la situation, au niveau non seulement donc de, de, de, de l'État, euh, mais aussi au niveau des partenaires euh, qui déjà ont des difficultés à gérer. Euh, déjà, il y a d'autres déplacés un peu partout. donc, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu cela la, la, réalité. Mmh, mmh, mmh. Je pense que, franchement, pour peut-être un peu minimiser ces déplacements, il va falloir non seulement rassurer rassurer donc les, les, les, les, populations. Et les rassurer, sur quoi C'est que en tout cas qu'on voit des résultats, les mesures envisagées en tout cas euh, présentement euh, depuis donc euh, la rencontre de, de, par exemple au Mali on apprend que incessamment les, les femmes en tout cas vont, venir prendre position, en tout cas prendre Kidal. Donc on pense que si cela est sincère, si effectivement de l'autre côté du Mali en tout cas on maîtrise la situation, donc, on va voir, en tout cas, dans les semaines à venir, euh, ce que ça va donner. Donc, sinon, si ce n'est pas le cas, franchement, je dis que ce n'est qu'un début de, déplacement. Les gens ne vont pas attendre, en tout cas. Ceux qui peuvent quitter vont quitter, en tout cas. Mm-hmm, mm-hmm. Hassan Boukar de la radio et télévision alternative, comme l'a souligné Madame Memouna, à ces déplacés internes, il faut ajouter que plusieurs autres personnes se déplacent vers l'extérieur, euh, vers des villages euh, du Mali frontalier. Euh, quelle analyse vous inspire cette situation Merci beaucoup. Je pense que <clears throat> c'est tout à fait logique. Hein. Dans ces zones, euh, la frontière parfois est une réalité virtuelle. Vous partez là où vous vous sentez en sécurité ou mm-hmm. parfois là où c'est plus proche. On a vu la même situation, par exemple, euh, le long de la frontière entre le Nigeria et la région de Difa quand il y avait les conflits. Lorsque les population du nord Nigeria, population frontalière du Niger se sont senties en insécurité. Euh, elles ont vite franchi la frontière donc euh, pour arriver au Niger, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, comme les l'ont dit, la difficulté c'est que euh, ce pays vit déjà une situation liée à la crise alimentaire, une situation extrêmement difficile qui mm. affecte plus de 2 millions de personnes. Alors aujourd'hui, quand vous quittez vos domiciles, vous quittez vos villages, vous ne savez pas pour combien de temps vous partez c'est extrêmement difficile. Par exemple, les enfants qui quittent l'école et qui se retrouvent sur un territoire euh, étranger qui a ses propres problèmes. Euh, là, par exemple, euh, ce que dit la représentante du HCR, il y a des gens qui ont quitté Chinagoder plus de 2000 personnes mais mhm. auxquelles on n'a pas accès pour l'instant du fait de l'insécurité. Donc ces personnes sont livrées à elles-mêmes. Donc les gens qui ont quitté aussi, qui ont traversé la frontière, avant que on puisse leur venir en aide, c'est souvent les ménages qui les accueillent. Euh, encore une fois, je fais le parallèle avec euh, ce que j'ai vu dans la région de Difa. Les ménages, malgré leurs difficultés, euh, il y a la solidarité mhm. africaine. Mhm. Les gens accueillent euh, ceux qui arrivent de l'autre côté de, de, la frontière. Et ça fragilise aussi les ménages d'accueil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment solide, mais vous considérez que quand les gens arrivent, vous ne pouvez pas les laisser dans la rue. Il faut que, mhm. vous, que vous partagez le peu de choses que vous avez. Mhm. Donc ça devient une situation extrêmement difficile. Alors, vous quittez le Niger pour franchir la frontière pour aller au Mali. Malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri mhm. parce que euh, certains pensent que ceux qui viennent attaquer le Niger viennent du Mali. C'est comme si vous vous jetez dans la gueule du loup. Mais en tout cas, dans cette zone, euh, ni au Niger, on le voit, ni au Mali, on est en sécurité. Alors j'espère que là où les gens sont allés en franchissant la frontière, ils vont trouver euh, un peu plus de, de quiétude. Mais tout le monde sait que c'est un lendemain totalement incertain aujourd'hui. Un lendemain totalement, <laughs> incertain. Et suite à cette vraiment situation d'inquiétude, euh, Roufaï, dans un communiqué du 14 janvier, la Commission électorale nationale indépendante CENI suspend l'enrôlement biométrique dans huit communes de la région de Tilabéry quel impact sur le calendrier euh, électoral déjà établi par la CENI Merci eh, Nafisa. Il faut dire que c'est même ça la grosse conséquence de, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Telabéry. Nous sommes eh, dans une année électorale qui va eh, aller jusqu'en 2020 et c'est ça la, grosse conséquence. Aujourd'hui, on a suspendu, je crois, 8 à 9 communes. Et c'est vrai, quand on, quand on regarde sur les 265 contre le Niger, ce n'est pas beaucoup, mais à l'allure où vont les choses, si à chaque fois qu'il va y avoir des attaques dans, certaines zones, on va suspendre les, les, Imaginez ce que ça va faire. Je crois que le but, de, le du djihadiste a été atteint, mm-hmm. c'était de créer la psychose. Lorsqu'après les, les, les, deux attaques, des rumeurs étaient répandues pour dire qu'ils avaient intimé l'ordre à la population de se déplacer, on ne sait pas si c'est vrai ou faux parce que eh, personne ne peut dire que c'est vrai, mhm. personne ne peut démontrer. Il y avait la psychose. Donc mhm. c'était ça le but de, euh, euh, des djihadistes. Et les gens avaient quitté. Mhm. Lorsqu'on quitte, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on leur donne le lit de venir faire ce qu'ils veulent. On leur donne le lit de, de, chasser les gens de, là où ils sont pour aller, comme l'a dit eh, Abba, au, au Mali voisin qui est plus en insécurité que le Niger. Et moi, -ce, ce que m'inspire cela, c'est la faillite de l'État. Lorsqu'un État après avoir reçu des menaces plus ou moins justifiées, laisse sa population se déplacer pour laisser là où elle habite, c'est que quelque part elle a failli. Mm. Au lieu de renforcer la sécurité pour faire face à, l'ennemi qui a déjà donné eh, eh, des consignes, qui a dit qu'il allait venir, au lieu de faire face, on laisse la population s'en aller, on laisse aussi eh, les militaires quitter leur, leur lieu de leur base parce que seulement on a, on a peur de, de, de, des djihadistes. Je pense que quelque part, c'est ce qu'on appelle eh, en science politique la, faillite de l'État. Et je crois que l'État, avec, euh, oui, eh, doit vraiment revoir la stratégie et ce qui a été fait eh, récemment. Je pense que ça va prendre avec euh, le changement à la tête de, de l'armée, la prise euh, du pouvoir du nouveau chef d'État-major. Je pense qu'ils vont revoir cela puisque mhm. il ne faut pas qu'on laisse, par exemple, des populations ne pas se faire enrôler c'est le cas de, ces neuf communes de la région de, de de la région de et une commune de la région de, Tawa. Si demain encore il y a d'autres attaques dans la région de Difa ou dans la ou dans n'importe quelle région du Niger, ça va être la même chose. Conséquence, mhm. on risque de ne pas enrôler tout le monde et à un certain moment, on n'aura pas l'occasion d'aller aux élections en 2019 alors que le président l'a clamé haut et fort et à plusieurs reprises que cette année, c'est une année d'élection, c'est une année d'alternance où pour la première fois le Niger va que les, les élections qui vont permettre à à un président de donner la place à un autre, nouvellement élu, je pense qu'il faut qu'on comprenne prenne des dispositions nécessaires pour enrayer tout cela. Oui, oui, ah juste, un mot, je mm-hmm. pense que ce que Rufai dit est extrêmement intéressant mm-hmm. quand il parlait de, la faillite de, l'État. Alors, vous êtes euh, sur un territoire, des bandits ou des terroristes vous disent quitter, vous, vous donne un ultimatum. L'État n'est pas là pour dire non, restez, je vous protège. Mhm. Alors un jour, ils vont demander peut-être à un quartier de Niamey, ils vont lui dire on ne veut pas vous retrouver à 14. Alors je me demande qu'est-ce qui se passerait. quoi. J'ai l'impression que dans tout ce en tant comme débat, on ne prend pas la mesure de la mhm. situation. Mhm, Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Si vous êtes sur un territoire, euh, alors des gens qui vous disent quittez, l'État n'est pas là pour dire non, restez, je vous protège. vous ne le voyez pas cet État-là. <laughs> Autre aspect de ce forum, après l'expiration du préavis de grève de 48 heures déposé jeudi 16 janvier, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du super SNEX lance de nouveau un mot d'ordre de grève, cette fois-ci pour un mois à compter du lundi 20 janvier sur l'étendue du territoire. Une grève pour exiger la restauration des acquis démocratiques sur l'autonomie et les libertés académiques et le règlement de tous les droits statutaires des enseignants-chercheurs du SNEX. SNEX. Elage Suleiman, un mois de suspension des activités académiques qui s'ajoute déjà à des années que les étudiants qualifient de kilométriques. Comment vous interprétez cette situation euh, ben, Je pense que sur le principe de la liberté euh, de grève, il n'y a rien à redire. C'est-à-dire mm-hmm. qu'un syndicat surtout du niveau du, du SINEX, on pourrait penser que c'est mûrement réfléchi euh, mais au regard du contexte, et effectivement, j'ai vu la réaction des, des étudiants qui s'inquiètent beaucoup parce que, au final, c'est eux qui vont être les principales victimes euh, de, de, la, de, la, situation. <laughs> Déjà, le, le résultat est assez grave, hein. donc euh, il va falloir, je pense, privilégier le dialogue, si tant est qu'il y a une volonté de dialoguer entre le gouvernement et le syndicat, euh, je pense que les graves de cette façon, un mois, c'est assez dur euh, pour même leurs propres militants. J'ai vu là aujourd'hui la réaction du ministre qui demande au recteur d'appliquer la mesure, donc euh, il n'y aura pas de salaire en, principe. donc, je pense que c'est le mois entier, c'est le mois entier. Donc moi, je pense que on attend de ce syndicat, en tout cas, c'est quand même la matière grise de de, de, notre pays. Mhm. On a vu par le passé, effectivement, par exemple, la création des universités, on le sait très bien, la posture du Sénèque, si on, a, on les a vraiment suivis, on n'aura jamais d'instituts et des universités à région. Et franchement, à l'épreuve de fait, on se rend compte que leur position n'était pas du tout sage et qu'ils sont censés encadrer la sagesse. Donc même maintenant, ils peuvent se tromper. Moi, je pense que sans trop m'avancer, je pense qu'il faut privilégier le dialogue. Mhm. Le ministre l'a écrit pour dire on va, on va, on va, on va discuter. Euh, donc, euh, donc je pense que, quelle que soit la situation, au regard du contexte aussi actuel d'insécurité et vraiment d'autres considérations, surtout l'intérêt des, des, des, étudiants, franchement, il va falloir euh, euh, faire des sacrifices, mhm. c'est certain. Hein. Donc, euh, vraiment, pour me résumer, euh, je pense que c'est un peu excessif. Mhm. Ça ne rassure pas les, les, les, citoyens, quoi. Et justement, parlant de dialogue, les différents syndicats des scolaires ont entamé cette semaine même des rencontres avec les deux parties pour vraiment aboutir à un terrain d'entente. Madame Memouna, êtes-vous optimiste quant à un dénouement heureux de cette crise oui, je, je suis optimiste. Je pense que ça sera euh, positif. Mm-hmm. En fait, euh, les échanges entre les étudiants et, et le SNEX et il faut se dire parce que ils sont, ces, ces, ces, étudiants ont bien réfléchi parce qu'il faut d'une part aussi euh, arranger les choses pour que l'année académique, pour qu'ils puissent sauver aussi l'année académique, mm. parce qu'il y a déjà des années en retard, académiques en retard. Parce que quand on voit 2017 n'a pas été totalement évoqué 2018 est là, 2019 en train de traîner. Et aujourd'hui, dans cette situation, euh, le gros lot, ceux qui vont perdre, c'est les étudiants. Mm. Donc, euh, ils ont tout intérêt mhm. euh, à, trouver euh, un consensus euh, pour sauver cette année mhm. et peut-être également aller un peu plus loin avec les négociations, qui auront lieu demain donc entre le ministre et le SNEX. Mhm. Donc je pense qu'il y aura aussi normalement l'implication des parents d'élèves, de l'association des parents d'élèves, parce que oui, le médiateur de la <laughs> République, c'est le CESOC, ce sont des institutions qui devraient en fait faire euh, euh, le nécessaire pour ramener le dialogue euh, entre vraiment le SNEX et le ministère. Mhm. Et cette décision du gouvernement de prélever sur les sur les salaires de ces enseignants, qu'est-ce que vous pensez de mais, ça Mais moi, je, ce que je pense en fait, c'est le ministère ne devrait même pas, en fait, euh, parler de ça. Mhm. Parce que je pense que c'est encore frustré, c'est le SNEX. Vous demandez d'abord, vous envoyez une lettre pour à, pour, pour, pour, approcher le SNEX et mhm. inviter le SNEX à, la table de négociation. oui, à la table de négociation. Mais du moment où vous avez déjà envoyé une lettre mhm. pour pouvoir les inviter sur la table de négociation, comment est-ce que vous pouvez encore envoyer une seconde lettre pour <laughs> dire que le mois là, personne n'aura son hein. salaire pour faire de grève. <laughs> je, pense que c'est vrai, la grève c'est un droit aussi, c'est mhm. un droit constitutionnel. Et, et je pense qu'on n'en est pas arrivé à là. Vraiment, si vous voulez avoir des solutions, si vous voulez vraiment qu'il y ait cohésion et entente entre les deux parties, mhm. mais il ne faut pas aussi mettre le feu là où, là où ce n'est pas nécessaire aussi. Ok. Roufaï, euh, euh, selon vous, quelle est la responsabilité et le rôle même euh, du rectorat dans cette crise Moi, je pense que l'un des grands ou l'un des grands drames de, ce pays, c'est les anciens chercheurs. Voilà des gens qui ont étudié, qui ont été formés par, par l'État du Niger, qui sont venus pour être des anciens chercheurs et qui à aucun moment ne voulu. Ils sont là avec les, euh, le même cours que les, que depuis 10, 20, voire 30 ans, qui n'évoluent pas, qui, qui, ne font pas des, des, des, des, des recherches, qui ne font pas des découvertes, qui ne font rien. Mm. En fin de compte, ils finissent par bloquer les, les, étudiants, puisque vous verrez beaucoup d'étudiants qui sont euh, pas des cracks, des intelligents, qui ont la capacité euh, de faire des, des, bons parcours à l'université, mhm. mais qui ont été bloqués pour des raisons ou pour, une raison ou pour une autre. En plus de cela, c'est oui, en plus de cela, et vous voyez ces mêmes enseignants, ils sont politisés dans tout. Euh, aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'enseignants-chercheurs qui ne dispensent même pas le cours. Mhm. Vous prenez juste des papiers, des polycopes, vous, euh, vous, prenez et vous, et, vous lisez. C'est ça le cours des enseignants. Le cours n'évolue pas. Le cours stagne. Vous voyez un, deux. Ces mêmes enseignants, aujourd'hui, c'est eux les, les, conseillers du président de la République, c'est eux le conseiller du premier ministre, c'est eux le conseiller de tel ministre, c'est eux ceci, c'est eux cela. Aujourd'hui, la jeune génération qui vient elle s'oppose catégoriquement à l'ancienne génération. Mhm, mhm. Donc, elle, elle, est, elle s'oppose au régime en place. Mm. Donc, conséquence, c'est comme on dit quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui, qui en bâtit. Et c'est ça aujourd'hui le drame pour, le, pour les étudiants. Et ils n'évolue pas des cours de 2017 qui n'ont pas été évacués. Moi, mm. moi, moi, personnellement, moi, je me rappelle, moi, j'ai subi une année, on dit année absorbée, je crois. À l'époque, on a fait ça. Il y a des enseignants qui vous disent que moi, je m'en fous euh, qu'il n'y ait pas un dans mon domaine, mm-hmm. vous allez voir dans une université, et comme l'université de Niamey, avec un seul professeur dans une matière. Mm-hmm le monsieur ne veut jamais que qu'il y ait quelqu'un qui va venir être comme lui pour qu'on dise que c'est lui son mentor, celui qui a fait de mhm, lui ce mhm, qu'il est aujourd'hui. vous voyez la le degré de méchanceté des mhm, enseignants et vous pensez qu'avec ce genre d'enseignants on va évoluer. Moi je pense qu'avec ce genre d'enseignants on n'ira nulle part et demain encore après cette grève de, un mois il va y avoir une autre grève de un mois parce qu'ils s'en fichent. Conséquence l'enseignement supérieur au Niger est bloqué parce que aussi le gouvernement est il s'est dit qu'il va, moi, je ne vais pas reculer. <laughs> et on va continuer comme ça. La situation ne va qu'évoluer. Elle ne va euh, que, que, se durcir, que pourrir aux grandes âmes de, des élèves, dont les parents aussi ne sont pas Conséquent, franchement, je pense que la situation à l'université de Niamey est très inquiétante mhm, mhm. et ce n'est pas pour euh, la solution n'est pas pour demain quoi. Et, le rectorat dans tout ça. Le rectorat aussi. Euh, euh, vous, savez, on a, je crois qu'on avait parlé de, ce problème et puisque j'ai suivi sur les réseaux sociaux le, SG du CNES quand elle parle de, cette situation d'élection au, rectorat où il dit que le ministre a menti mhm. quand il dit que sous Moza, ce qui est mon donc on va voir vous voyez, quand un, un, d'un syndicat comme le SNEX parle comme ça, mhm. je pense que c'est sur abc Un, deux, quand on vous dit, OK, on va aller, vous allez élire un ancien chercheur parmi, euh, parmi vous, ou on va nommer le gouvernement, on vous dit de proposer trois noms pour élire. Moi, je pense que ce n'est pas un problème, même s'ils disent qu'ils veulent élire eux-mêmes leur, leur, euh, leur, euh, Mais proposer trois noms, on ne va pas prendre, on va pas me prendre moi ou prendre euh, Hassan Boukar ou prendre quelqu'un parmi vous trois. noms. vous les mhm. proposez et vous pensez que ces têtes-là sont capables de vous représenter. Mais bon sang, pourquoi ne pas le faire mhm. Mais juste pour, le plaisir de bloquer, on bloque. L'année est toujours bloquée. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mm -hmm. pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. D'accord. Hassan Boukar, le vrai problème de cette crise, ce sont même les enseignants eux-mêmes. Êtes-vous d'avis Bon, chacun peut avoir son, son opinion. Je sais qu'il y a tous les problèmes mais hein, qui me de ça ont évoqué, l'université quand même vit énormément de problèmes. Mais là, dans le cas de ce mouvement, j'ai cru comprendre qu'ils mettent sur la table des arriérés de paiement, euh, mais aussi de la question des réformes au niveau de l'université. Bon, par exemple sur les paiements, bon, je me dis que normalement l'État doit pouvoir régler ça rapidement. La question des réformes, il peut se mettre à discuter. Alors, les, malheureusement, comme l'ont dit, les étudiants, ce sont eux qui sont les, les, victimes, à moins que la stratégie ait été choisie comme telle, c'est-à-dire faire pression sur les étudiants pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement. C'est peut-être donc la démarche qui a été choisie. Mais dans tous les cas, ce sont les étudiants qui vont payer cher. Mais la question de l'université est une question quand même profonde. Hein. Je partage là l'analyse qui a été faite moi, à mon avis, je n'ai pas de problème qu'on dise que, les, enseignants puissent faire des élections pour désigner un recteur. Mais le gouvernement doit être regardant sur l'université, être regardant, par exemple, sur les résultats. Je le disais, je crois, une fois dans ce studio, lorsqu'on a annoncé 25% des résultats au bac, tout le monde est scandalisé. Mais c'est pas possible, ça veut dire que c'est 1 sur 4. Mais à l'université, a pire. Et depuis des années. <laughs> C'est-à-dire que le gouvernement qui dépense beaucoup d'argent pour faire fonctionner les universités n'est jamais regardant sur les résultats universitaires. Et cette crise, ça fait, ça fait longtemps que ça dure. Donc, le gouvernement doit être regardant sur la gestion de l'université. Ou alors, avoir une base d'entente claire, quel que soit le recteur, hein, qu'il soit nommé ou mhm, élu. Le hein. mhm. plus important, ce n'est pas la personne, c'est le résultat auquel on veut aboutir. Donc, si le gouvernement a une vision claire sur l'enseignement supérieur, je pense que pendant longtemps, le gouvernement aussi était euh, un peu dans cette philosophie du FMI, du genre mm-hmm. ça coûte cher, l'enseignement mm-hmm. supérieur, etc. Donc, il était dans une position mi-figure, mi-raisin. On a du mal à, avoir une bonne lisibilité de la politique de l'enseignement supérieur. Il mm. privilégie le niveau primaire, c'est-à-dire enseignement de masse, etc. Mm-hmm. Alors, l'élite, on pense que ça coûte cher. Mais à mon avis, puisque maintenant nous sommes convaincus qu'on a besoin aussi de l'élite, l'État vraiment doit être regardant sur le fonctionnement de l'université. Mhm. Ça fait trop de victimes dans la jeunesse de ce pays. Ils doivent être très regardants sur le fonctionnement de l'université. Créer une université, ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'on veut, c'est en quoi aujourd'hui l'université peut servir ce pays et qu'il y ait vraiment un mécanisme, comme mhm. Rufail l'a dit. Il ne faut pas qu'il soit simplement un lion où on sacrifie des <laughs> générations. et je pense qu'on ne finance pas l'université pour ça. Mhm. Donc il y a des vrais problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, euh, les enseignants et le, gouvernement se font face. Euh, là, je pense que quelqu'un l'a dit. Le gouvernement considère aussi euh, qu'il est suffisamment fort mhm. pour imposer ce point de vue. D'accord. Alors, euh, juste pour terminer, alors c'est pour ça qu'il dit par exemple, je ne paye pas les salaires, ah, couper les salaires. Alors, <laughs> euh, si, si d'aventure il y a une négociation, on demande à chacun de faire des concessions. Il dit d'abord, ok, je paye les salaires, <laughs> mais sur le fond, il ne viendra pas. C'est les démarches qu'ils font. Donc, mais, mais encore une fois, l'université c'est quand même l'argent du contribuable. Mhm. Vraiment l'État doit être regardant sur ça. Alors pour clore ce chapitre, Elhaj Suleiman, comment venir à bout de cette crise selon vous ben, Je l'ai dit, rien ne vaut le dialogue. Hein. Le dialogue veut dire simplement concession, mettre en avant l'intérêt général c'est-à-dire que ces étudiants, c'est leurs enfants, c'est leurs petits frères. Mhm. Le gouvernement aussi doit assumer ses responsabilités mhm. et comme ça, vraiment, on s'entend sur l'essentiel, donc on avance. Mhm. Je pense que euh, absolument, il faut dialoguer. Sinon, euh, sinon on ne peut qu'aggraver euh, la situation. Je constate que franchement, ces temps, il y a en tout cas au niveau de la lutte syndicale quelques problèmes. Euh, on l'a observé avec le SINEX, avec le syndicat des magistrats. Euh, quelque part, franchement, il y a des problèmes, il y a des reculs où souvent euh, les syndicalistes ont tendance à minimiser l'intérêt général. Et ça, franchement, pour là, c'est un problème très, très sérieux. Mm-hmm. par exemple, quand vous voyez ici, quand vous faites un, une grève d'un mois ici, que vous lancez ça et sur les médias, vous avez le président qui c'est, on va le reconduire, euh, on va le reconduire à, euh, jusqu'à, jusqu'à infini. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, lorsque, par exemple, un syndicat comme celui des magistrats par, exemple, engager mm-hmm. un mouvement pour empêcher aux enfants du peuple de faire un concours. Parce que l'argument qui donne que le master n'est pas, n'est pas un diplôme, ça ne tient Donc, c'est comme, c'est au, au niveau de la douane où on fait tout pour empêcher aux enfants de, de en tout cas des pauvres d'accéder à cette parce simplement ici à des intérêts. donc bref, moi je pense que aussi, euh, en tout cas, on a vécu ces dernières années depuis, en tout cas, euh, la conférence nationale, le mouvement, en tout cas, euh, au niveau des syndicats, le SAMAN c'est un, syndicat, très respectable. Aujourd'hui encore. Mais je pense que quelquefois, on prend des libertés par rapport, en tout cas, à ses propres principes. Mhm. donc, moi, pour dire que je pense que vraiment, il faut le dire au niveau des, des, des acteurs, il faut savoir mettre en avant l'intérêt général. Autre grève, c'est celle observée dans le secteur de la justice. En effet, le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, a observé plusieurs grèves dans tout le Niger pour protester contre la révision du statut de la magistrature. Mais Mounadjado, que pensez-vous des revendications de ces magistrats alors qu'on sait que l'Assemblée a déjà voté la loi sur le statut de la magistrature, même s'il reste la promulgation? je pense que, en fait, euh, concernant cette loi, euh, avant même que ça atterrisse au niveau donc de l'Assemblée nationale, je, pense que j'ai suivi par deux ou trois fois le SIG du Saman qui, parlait de, justement ça, de cette situation. Mhm. Euh, bon, ils se sont entêtés, ils ont voté la loi parce que c'est ce qu'il faut dire mhm. aussi. Mais d'un côté aussi, je pense que euh, le Saman doit être aussi regardant parce que en fait, il faut que les choses aussi bougent et il faut que les choses changent. Mhm avoir une dent ou ce que je, je, je vois contre euh, ces, ces, jeunes euh, qui veulent tout simplement, mhm. après euh, leur diplôme aussi, embrasser une carrière comme la mhm. magistrature. Je pense qu'il euh, fallait tout simplement essayer de regarder dans le sens aussi de la positivité que ces jeunes, euh, comme tout comme le Saman, aujourd'hui où ils sont, il faut laisser ces jeunes aussi venir. Et je pense aussi que bon, la grève, comme on le dit, c'est aussi un droit, mais euh, il faut d'abord essayer de, d'être objectif dans ses revendications. n'est mm pas toute chose qu'on peut revendiquer. Et aujourd'hui, la loi a été votée. <laughs> une loi qui a été votée, je pense est-ce que le Saman euh, peut, s'il veut, aller sur une table de négociation et essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire. Oui, justement, le Saman, euh, ils ont entamé aussi un processus de médiation avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut espérer une solution sur la durée à l'issue des négociations quand on sait que généralement les trêves sont de courte durée, Rufai. Moi, je pense que les Samans comme le Sinex, c'est la même chose. Eux-mêmes, hein. ils sont si méchants euh, euh, qu'ils ne veulent pas. Ouais, ils font le concours. C'est comme le concours de, de l'avocat. On, dit avocature, je sais pas. C'est la même chose. Et quand on fait le concours sur 400, 500 dossiers à peine, ils disent qu'ils veulent 50 personnes. Maintenant, quand on vient, on n'a même pas 50 personnes, on a à peine 20 personnes ou 18 ou 20 personnes. Il n'y a même pas de dérogation. Et on continue comme ça. il faut l'année prochaine. On ne fait même pas une deuxième session. C'est la même chose quand on fait avocat. C'est la même chose quand on fait la, magistrature. et la magistration. Or, quand vous regardez, et même les magistrats, écoutez-les parler, ils n'ont même pas le niveau. Moi, depuis quand je n'ai pas suivi un, un, de, du, du Saman qui, qui s'exprime correctement, qui peut, qui, peut, qui peut faire un débat d'idées, un débat. Et, oui, avec, les, avec, avec des autres. Ça fait longtemps. Non, les gens sont si méchants au Niger que dès que tu viens à un poste, tu empêches à un autre d'accéder. De grâce, il faut qu'on change oh, dans ce oui, il faut qu'on change dans ce pays Moi, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, de beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes filles qui veulent accéder à la magistrature, qui veulent accéder au concours euh, à la douane, mais dès qu'ils viennent au moment où ils doivent franchir ce pas, on, les bloque. C'est ça malheureusement. Mhm. Et c'est ça à l'université, c'est ça à la douane, c'est ça à la à la magistrature, c'est un peu ça partout, partout au Niger. C'est ça le drame, c'est ça le drame de ce pays quoi. Mhm, mhm. Euh, Hassan Boukar est-ce que vous pensez que ces magistrats ont toutes euh, leurs raisons d'aller en débrayage ils, ont sans doute leurs raisons. <laughs> Euh, est-ce que c'est valable pour l'opinion Toute la question est, là. Moi, je pense que au-delà des syndicats, hein, euh, ce que Rufai avait dit lors de son intervention au début est encore valable, c'est la faillite de l'État. Si l'État veut avoir 200 magistrats par an, c'est à lui de se donner les moyens d'avoir des magistrats. Normalement, les syndicats n'organisent pas les concours. Donc l'État doit se donner les moyens. J'ai assisté un jour à une discussion entre des hauts cadres sur le secteur des finances, euh, mm. le service des impôts et autres, où on dit ouais mais les, les travailleurs du secteur, les syndicats bloquent parce qu'il y a ces 06 que ça s'appelle. Ah, alors, alors, mais, regardez, les citoyens peuvent se plaindre de ça. Les, les citoyens peuvent se plaindre de ça, pas un État. Si l'État veut avoir chaque année 50 agents de service des impôts, 50 douaniers, il doit pouvoir se donner les moyens de les avoir. Donc, le problème, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui est en faillite. Et, finalement, euh, en face de cette faillite, on voit des syndicats qui défendent leurs mhm, intérêts. Mhm. On peut dire qu'ils ne se soucient pas peut-être des autres. Mhm, Ils se soucient seulement de leur corporation. Il y a peut-être un excès de corporatisme qui fait qu'on ah voit euh, son syndicat, on voit son milieu de travail, mais on ne voit pas le pays. Il y a peut-être un excès de corporatisme. Mm-hmm, mm-hmm. Il y a donc cette première dimension, pour moi, c'est d'abord la faillite de l'État. Deuxième chose, il y a quand même un problème de communication. Je suis rejoint à la mm-hmm. C'est-à-dire que lorsque vous partez en grève, dans un contexte comme, comme celui-ci, il y a un acteur important euh, duquel il faut tenir compte, c'est l'opinion publique. Est-ce que les gens considèrent que votre mouvement est juste, juste Regardez, pendant presque deux ans, on a vu les médecins spécialistes aller en grève. Ils sont allés jusqu'à un niveau, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués pour arrêter. <laughs> Mais pendant tout ce temps, lorsque vous voyez, lorsque les médias disent aux citoyens qu'est-ce que vous pensez, les gens disent, ils doivent discuter sans dire que les médecins ont raison d'aller en grève. Aujourd'hui, face au SNEC, face au SAMAN, j'ai l'impression que j'entends le même discours. C'est-à-dire que les gens disent, OK, il faut qu'ils négocient, mais les gens ne disent pas, ils doivent négocier parce que le Saman a raison, ils doivent mhm. négocier parce que le Senex a raison. Et donc, il y a un vrai défi de communication parce que lorsque vous voulez aller en grève, vous êtes quand même payé par l'argent du contribuable, vous avez au moins une obligation de dire à l'opinion que vous partez parce que vous avez une bonne raison. Lorsque, l'État aussi fait attention à ça. Lorsque le gouvernement a l'impression que toute la communauté soutient votre mouvement, il fait attention aux, décisions qu'il prend face à mhm. vous. Aujourd'hui, vous pouvez être isolé. J'ai l'impression que euh, certains syndicats sont presque isolés <laughs> face à l'opinion et le gouvernement est à l'aise pour leur taper dessus. un vrai problème de communication aujourd'hui mm-hmm. parce qu'on n'arrive pas à convaincre l'autre. Quand Abbe parle de l'opinion, c'est comme s'il parle à une opinion qui est qui est, qui cultivé, qui sait mm. ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, même quand on donne la parole, euh, à qui on donne la parole On donne la parole à presque les mêmes personnes. même les médias, on est tous des hommes des médias, on donne mm-hmm. la parole à presque aux mêmes personnes qui disent les mêmes choses. Ça veut dire que quand tu sors même de ta rédaction pour aller prendre euh, euh, entre griffes, comme on dit l'homme de la rue, il dit mm-hmm. presque la même, chose. Donc l'opinion, on parle d'une opinion qui est aguerrie, qui sait ce qui se passe. Mm-hmm. Quand par exemple les médecins spécialistes vont en grève, quand on donne la parole, c'est dans des pays où c'est tout est développé, les gens comprennent ce quoi même un médecin spécialisé. Mhm. Aujourd'hui, quand vous prenez l'homme eh, de la rue, lui, pour lui, il n'y a pas de médecin spécialisé, il n'y a pas de médecin de généraliste. Mhm. Il part à l'hôpital, on le soigne, il voit un médecin en blouse, il s'en fout. <laughs> Il ne sait même pas, lui, là, c'est un docteur, lui, c'est un infirmier, il s'en fout. Donc, quand on parle de l'opinion, je pense que c'est une opinion qui, qui connaît quelque chose qui est aguerri. Aujourd'hui, mhm. même cette opinion-là, on, est on est en train de, euh, comment dire, de la rendre euh, euh, je ne sais pas quel mot utiliser, en tout cas de l'infantiliser, de faire en sorte qu'elle ne comprenne rien à rien dans tous les secteurs mhm. et on continue la vie comme ça. Parce que tant aussi, euh, si demain l'opinion euh, arrive à, comprendre ce qui se passe, mhm. il y aura, un, changement de comportement. Et c'est ça que les uns et les autres ne veulent pas. Pas seulement les, autorités, mhm. mais tout le monde, personne ne veut que l'opinion sache quelque chose. Donc c'est comme, ça, ça qu'on continue. Pour terminer, j'ai fait un parallèle entre par exemple la grève du SAMAN mhm. et la grève des enseignants contractuels. Vous avez des gens qui sont dans le domaine de l'enseignement, certains depuis plus de 10 ans, ils ont dépassé l'âge d'intégrer la fonction publique, parce qu'il y a mhm. un âge pour intégrer la fonction publique, qui font le même travail avec d'autres collègues à eux, mhm. ils sont sous-payés par rapport à ces personnes. Les salaires sont payés parfois quasi régulièrement. Les pécules attendent 2-3 mois. Lorsque les contractuels vont en grève, je pense qu'il y a une compréhension de l'opinion. Mhm. Les gens pensent que c'est justifié. Mhm. Si à la fin du mois, tu n'as pas ton pécule, l'État t'a amené loin de ta <laughs> famille, quelque part. Et donc, il y a une justification. Mais faites la, comparaison avec le mouvement du, Saman. Mhm, c'est pas la <laughs> même chose. et donc, il y, a une opinion, il y a une opinion qui concerne les, gens, malgré ce que Rufai explique. Regardez par exemple comment les gens interviennent dans les réseaux sociaux il y a quand même un niveau aujourd'hui d'appréhension de ce qui se passe dans l'espace public. Il y a un niveau, à mon avis, d'analyse qui fait qu'il y a au moins une minorité qui est assez active mhm. et qui peut drainer avec elle une mhm. partie au moins de l'opinion. Mhm. Mais assez active, suffisamment active. Voilà. Donc, et, aujourd'hui, par exemple, lorsque les gens pensent que quelque chose est justifié, les gens ont tendance à, mhm. à, le soutenir. Mhm. Mais lorsque vous, vous partez en mouvement euh, dans l'espace public, et, bon, les citoyens eux-mêmes ne sont pas convaincus. ils vous mettent dos à dos face à l'État. Mhm, D'accord. Donc, sur la grève du Saman, il y a quand même un, aspect très important où le SG du Saman, je l'ai suivi pendant une heure de temps sur une télévision, mhm. il n'a pas pu convaincre. Mhm. Il a essayé de dire que, euh, par exemple, le master 1 n'est pas l'équivalent de la maîtrise. Mais écoutez, lui-même, il dit que les magistrats, même formés, ils sortent auditeurs de justice. Mhm. Autrement dit, à l'étape du concours, mais aussi la formation. On va, vont avoir la même formation. Donc, celui qui est admis au, concours, en principe, il est censé avoir les, compétences pour admettre au concours. Et ensuite, il va être formé. même étant formé, il va se retrouver auditeur de justice jusqu'à ce qu'il peut seulement, en tout cas, pour être magistrat. Mhm. Donc, cela veut dire que ça ne tient pas. Laisser tous ceux qui sont, en tout cas, euh, dans leur dossier, en tout cas, est valable, en tout cas, qui peuvent remplir les conditions pour, en tout cas, concourir. Mhm. Maintenant, il y a des, étapes où on peut vraiment les éliminer. Mhm. Donc, euh, maintenant, comme euh, euh, vraiment on, le constate, l'appel moi que j'ai fait, le Saman, c'est un syndicat très, très franchement responsable, qui est connu et reconnu en tout cas pour ses prises d'abord dans le l'avance. en tout cas démocratique au, Niger, mhm. c'est un syndicat qui a joué un rôle historique. Par conséquent, je pense que les, syndicalistes actuels doivent vraiment euh, euh, revoir, en tout cas, euh, respecter la ligne de conduite de leur, en tout cas, devancier pendant, en tout cas, ce n'est pas tard, vraiment pour, pour, mieux faire. Mais la posture, il a dit, l'opinion publique, en fait, c'est mm-hmm. aussi souvent suivre un certain nombre de choses. Quand je suivi, en tout cas, à travers et les médias et les réseaux sociaux, le Saman, en tout cas, sa position, il, a une difficulté avec l'opinion. Mm-hmm, mm-hmm. Parce que l'opinion, quoi qu'on dise, l'opinion publique, c'est vrai, ici chez nous, euh, on a tendance, parce que quand on prend le côté du, par exemple, du, pouvoir, ce pouvoir, c'est pas parce que l'opinion publique a, dénoncé un truc qu'on va voir effectivement euh, un comportement euh, différent. De la même façon, je pense qu'il faut au niveau des acteurs, en tout cas non étatiques, donc les syndicats, savoir que justement, il y a un critère de mesure lorsque votre posture n'est pas cherchée à négocier, en tout cas. Parce que, je, je, dit... Euh, aujourd'hui ces étudiants. Et on a entendu, par exemple, l'intervention des étudiants dans le SG, par exemple. Mhm. effectivement, c'est à juste titre. Ils se disent que pourquoi, et leur appeler au, Saman, mhm. que vous, êtes étiez, nos, camarades. Certains viennent à peine de, sortir de nos, de rangs. Mhm. Donc pourquoi Parce que maintenant vous êtes dans une autre posture, vous pensez qu'il faut se comporter autrement. je pense votre mon dernier mot, c'est que que ce soit le SAMON, que ce soit les anciens chercheurs dialoguons et surtout mettons en avant l'intérêt général pour notre pays. Merci à vous tous et nous clôturons cette émission avec du sport. La Confédération africaine de football a procédé cette semaine au tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2020. Les 40 équipes encore en lice ont été réparties en 10 groupes de 4. Le Niger figure dans le groupe A avec l'Algérie, le Burkina Faso et le Djibouti. Je vous donne la parole à Roufa le sportif. <laughs> Alors, les spécialistes, quelles, quelles sont selon vous les chances du Niger, surtout qu'on sait qu'avec l'Algérie qui est une grande nation de football en Afrique. Merci Nefissa, on part avec euh, l'Algérie de la poule A, l'Algérie qui est champion d'Afrique mhm. euh, récemment face au Sénégal. Euh, je pense que ce n'est pas le groupe de la mort, mais c'est quand même un groupe un peu <laughs> difficile parce qu'il y a l'Algérie et il y a aussi le Burkina Faso. Mhm. et on n'est pas euh, dans la même catégorie que le Burkina Faso, déjà, à plus forte raison l'Algérie, mais vous savez, c'est le football. c'est là où ce sport est magnifique. Euh, on, sait que ça va commencer, mais on, ne sait pas comment ça va, ça va finir. quoi. Mhm. C'est là où donc on peut espérer. on a trois, matchs à jouer à domicile, mhm. trois matchs à jouer à, l'extérieur. Donc on peut espérer gagner nos trois matchs à domicile et espérer gagner les autres et faire nul un nul même parce qu'il y a la Djibouti, la Djibouti je crois, et dans, dans, la poule, oui, il y a Djibouti. Donc on peut espérer quelque chose. Mais bon, c'est vrai, le favori de la poule, c'est l'Algérie. Et pour prétendre passer cette poule et aller à la phase suivante, parce que il faut dire aux, auditeurs que même si on, est, on, sort de la poule, on ne se qualifie pas directement à la Coupe du Monde. Il y aura aussi un autre processus qui va eh, permettre euh, de se qualifier directement à la Coupe du Monde. Mais je pense que ça va être un peu difficile. Mhm surtout face à l'Algérie qui pour moi aujourd'hui est la meilleure équipe du continent. D'accord, bonne chance alors euh, au Niger. Et nous arrivons au terme de ce numéro du Forum de la presse. Merci à nos invités d'être venus et à la semaine prochaine pour un tout autre nouveau numéro sur le studio Kalangou. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi et dimanche les forums sauran mu a lang Hausa, Ezerma, Au